On travaille en ici. Je salue tout le monde, tous les Africains qui souhaitent le Mali et tous les Sénégalais aussi qui souhaitent le Mali. Vive l'Afrique, vive Mali, vive la paix. Nous sommes des Maliens et puis bon, on est fiers aussi. Parce que notre président, il a fait ce qu'il doit le faire. C'est nous qui a poussé. Oui, c'est nous qui a poussé. Donc nous, on veut notre président. Parce que ce qu'il a fait pendant 30 ans, pendant 10 ans, France fait au Mali, 8 ans, France n'a jamais fait au Mali. Oui. Et c'est là aussi. on ne vaut rien. Vous m'exigez, mais CEDAO ne vaut rien. Il ne dit pas la vérité. Pendant que les gens tuent au Mali, ils détruisent le village, les enfants, le père, le vieux, tout le monde. Est-ce que tu as vu les CEDAO viennent de plein Il faut arrêter de cesser ça. Jamais. Parce qu'ils travaillent. Ils travaillent pour la France. Nous, on ne travaille pas avec la France, c'est fini. Nous, on n'a pas esclaves. Nous sommes des Maliens fiers d'être Maliens. Ah ok, on n'a rien fait chez nous. France n'a rien fait chez nous. Oui, parce que nous on appelle les Russie. Pourquoi on appelle le Russie Parce que la France ne vaut rien. C'est à cause de ça. on ne peut rien faire là, il n'a qu'à nous laisser. On est, on est libre. Donc on a le droit d'appeler n'importe quel pays de nous aider. On appelle les Russie. Les Russes ils ont venu ici. Est-ce que les gens attaquent Est-ce que les gens entendaient encore il y les rebelles en train de détruire la base au Mali Jamais de la vie. Bon, sanction là, même si les CEDAOV, hein, il, n'a qu'à faire ça à vie. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange rien. Ce n'est pas nous seulement qui sentit. Sénégal va sentir. Et Côte d'Ivoire va sentir. Tous les Africains de l'Ouest vont sentir et puis c'est tout. Et puis moi je, moi, je, dis, je vais dire à Hassim Goïta là, on n'a qu'à retirer la CDAO. on n'a qu'à sortir la CDAO. Même le France, même les franc, le Français pas là, on n'a qu'à laisser. Et oui, moi, tout. Eh, les Africains ne disent pas la vérité. Et regardez les Européens soutenaient la France. Est-ce que les Africains soutenaient le Mali C'est des traites. Ce sont des traites. On n'a qu'à aimer nous d'abord, avant d'aimer la France. France n'a rien, ni gaz, ni pétrole, ni rayon. Ils volent nos ressources amener ça à la France. Si. Donc, ça, Asim Gueda, s'il a regret, nous, les populations, on va tuer Assim Goïta. S'il a réglé, on va le tuer. Oh. Vive Assim Goïta, vive Mali. Vive la révolution, vive la paix au Mali. Vive la paix en Afrique. Oui, nous, on est Maliens, on est fiers. On est fiers. Si on n'est pas mourir, on va mourir. On est derrière nos présents. On est derrière nos présents. On est derrière nos présents. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On est derrière nos présents. Jusqu'au bout. Vive Assim, vive Mali, vive l'Afrique. Voilà, c'est ça. Les sanctions de la contre le Mali, ça ne nous dérange pas. On en voit ça depuis l'UE. On savait que les va nous sanctionner. Parce que les poissons que les CDAO ça, ça ne nous arrange pas. Quoi. Vous voyez. Les CDAO, s'il il n'a fermer toutes les frontières. Carrément, ça, ça ne nous dérange pas. S'il ne peut pas fermer le ciel, Dieu va nous aider, c'est nous, c'est pas le président Asim Koïta, c'est le peuple malien qui est sous derrière lui-même. Si Asim refuse de faire les 5 ans, il va nous trouver derrière lui. Il va savoir ce que les Maliens veulent. Il sait ce que les Maliens veulent. Il sait les pensées des Maliens. Il sait que les Maliens voulaient arriver en avance. C'est pour cela, nous aussi, on soutient Asim Koïta 100%. Si les pays africains travaillent pour la France, les CEDAO, sincèrement pour les CEDAO même, et ils sont là pour la France. CEDEAO est là pour la France avec les mois. Nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est fini entre nous et les On savait que les Français sont en train de pousser les CEDEAO. Parce que les Maliens disent que les Français, les, euh, <coughs> les, six mois et cinq ans, le peuple français n'a qu'à rentrer chez sujet. Ils ont réfugié. Ils voulaient chercher la solution. Ils poussent les CEDEAO vers le Mali. Donc nous, on n'a pas besoin de France. Ils n'ont pas rentré chez eux. Ce n'est pas la France seulement. Les Maliens veulent leur intérêt. C'est quel pays qui ne voulait pas l'intérêt malien n'a pas parti chez On a besoin des personnes. Parce que les risques qui voulaient faire notre marché, ils voulaient faire notre travail. c'est fini. Les Français ne voulaient pas ça. Ils voulaient amener tout chez Donc nous, on s'en fout des eux. Pour rester chez nous aussi, on travaille chez nous. On cherche notre partenariat pour travailler. C'est ça qui est mieux pour nous. Non, ça ne cause pas beaucoup de problèmes. Si on trouve à manger là, si notre ventre est rechargé là, on a besoin de hein. Parce que la lutte dans la vie, c'est pour avoir... je ne sais pas comment vous, vous expliquer quoi. C'est pour avoir le ventre, ça, si ça recharge là, nous on a besoin de ouais. Même si on va mourir de faim, on n'a pas besoin de faim. laissez aussi. Nous on cultive, on a tout chez nous. Pour avoir peur. C'est mon avis même. S'il peut tout de suite même où ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange pas les Maliens. Ça n'arrange pas les Maliens. Ça n'arrange pas, l'Afrique même. Mais je ne sais pas, les, les, les, présidents africains, ils ont des CEDEAO, je ne sais pas pourquoi. Et ils sont en train de chercher leurs intérêts, les présidents. Ce n'est pas le peuple, les présidents, c'est où. Ils cherchent leurs intérêts, ils n'ont pas besoin du peuple. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Toujours, nous, dañuy gërëm nous du gërëm nous bi bu nous nous baax nous baax a nous C'est là Nous def bu mu fàtte yàlla mi ngi fi lu ko neex ne mën na koo def mais je crois que CEDEAO dañoo def CEDEAO pour Afrique lépp la kii bu amee problème ñu xool nu ñu koo réglé mais bu ñu jëlee sanction pour Mali xool xool tey guddi bu ñu toll nii boo xoolee Mali doomu euh, réew mi lu muy ni ñu koy Robert ni ñu koy reye da nga yéem si yàlla da ngay doy waar si yàlla billaay wallahi kon ñoom bu ñu jëlee sanctionné pour loolu ñu def lu leen neex gis nga président Marie moom kii boppam population bi moo ko topp nee na nii la mu bëgg defee ñu ko noonu waa CEDEAO léegi lu mu bëgg moom ñoom. léegi ñoom lan lañ bëggoon am loolu laa bëgg xam. mais population ñoo ko tànn yaa ngi doxal seen mission yow lañ bëgg nga toog wax jeex foofu. yàgg na ana problème bi légui mais SIDA kon ñu pour population dañu nekk pour sen bop kon ah c'est l'intérêt bo duggé Mali tay tay tay tay tay bo gisé Mali jog taxaw xoolal rek da ngay fekk bis yi dem ay yenn dekk bi robert yi ñoo attaqué leen taal bis bi yépp ay 40 quelques personnes mort ci bir bis est-ce que c'est normal kon kon légui ana SIDA ana SIDA ana SIDA légui kon SIDA amul njëriñ boo déggee SIDA ñu nekk benn. xool ku am problème ku am jafe-jafe ñu nekk benn xeex ko mais loolu amu ci mais ñoom dañuy des seen décision xool lu leen neex seen intérêt non euh, population moom nañu dee guddi ak bëccëg pour lan France inter France du noonu loolu d'accord ñu ko tey d'accord ñu ko suba ñun suñu président yi ñu gën fii ba dee bu laajee mar ñu mar ba dee ñu mar ba dee bu laajee xiif ba dee ñu xiif ba dee ñu ngi gis gën am toujours du ñu delloo gën am mukk billaay wallahi lu mu indi d'accord nañ ko lu mu laaj d'accord nañ ko lu mu laaj da ñu nekk laaj ndox ñu nekk naan ndox laaj ñu nekk laan lekk ñu nekk laan lekk lépp d'accord nañ ko lu mu ñëw rek engagé nañ ko ba ñëw tey dee ñu dee billaay wallahi ñu regretté muk ñu ay góor yàlla duñu delloo na mukk nag ñii dee ñoom nit lañ jullit lañ comme ni ñun ñoo sonn am na population yi nga xamante ne ni ñuy lekk problème la mais comment kon ana CEDEAO léegi CEDEAO amul njëriñ amul benn njëriñ Afrique ñu nekk groupe xool ni ñuy am jafe-jafe bu ñu am ñu xeex ko bu fekkee loolu am ci moom amul njëriñ de xool seen intérêt rek intérêt France ñoo jël suñu euh, risque kii bagage ji bu ko jaay dund seen réew ñun ñu nekk toujours ñu nekk problème wala tey Afrique boo xoolee. sa que bu pour nga ko hôpital ko sa problème la naka a lekk ñàkk naan lépp daal Afrique sonu dañu sonu sonn ko lolu amul benn variété aduna yépp xam ko xam ko Mali ko amul France la lu fu ko rek la ali kono de nen bɛ cɛ sima an ka baarakɛyɔrɔ de ye yan ala barika da ala ye bi jira na an bɛ ka ka kuma sedeyaw kan sedeyaw nafa jumɛn ne bɛ sedeyaw de afiriki nafa foyi de tɛ sedeyaw de afiriki sedeyaw ye tiɲɛni de kɛ a ma ɲɛni kɛ asimu a m'a yɛrɛ sigi jamanadenw na y'a sigi a t'a yɛrɛ ka baara la a bɛ jamanadenw ne ka baara la san duuru in asimu m'a fɔ dɛ malidenw ne y'a fɔ n'a sɔrɔ sedeya bɛ malidenw ka hɛrɛ fɛ k'u bɛ malidenw ka lafiya fɛ k'u bɛ pɔbili ka lafiya de fɛ o jamanadenw ka laɲini ye fɛn min ye u kan k'o sira de taama mɛ u bana k'o sira taama dɛ u bɛ kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ de ka sira taama u tɛ kɛ ka malidenw ka kɛlɛ kɛ dɛ u bɛ kɛ ka jamana wɛrɛ de ka kɛlɛ kɛ n'o ye sedeyaw ye ɛ a tɔgɔ dɛ n'o ye n'o ye faransi ye faransi u bɛ k'a faransi ka kɛlɛ le kɛ faransi nana mali la san tan a ma se ka foyi dilan dix ans an ko k'an bɛ partenaire wɛrɛ de ɲini o de ma kun fɛ o sisan u ko sisan ko an tɛ se k'o kɛ bilen donc n'an b'o kɛ olu b'an ɲɛki parce que olu de ta y'an sogo n'an farikolo ye an ko an tɛ jɛ n'o ye an bɛ partenaire wɛrɛ de ɲini o de kɛlɛ filɛ nin ye CEDEAO m'a faamu dɛ CEDEAO tɛ ka k'a yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ dɛ CDAO bɛ kɛ ka Faransi ka kɛlɛ de kɛ wa anw b'o kɛlɛ la fo ka taa an sa Mali ani Irisi an b'o kɛlɛ kɛ fo ka taa an sa an denw fagara musow fagara musokɔnɔmaw fagara denw cira duguw cira CDAO ma bɔ k'a fɔ k'a y'a condamné Mali dugu joli cira CDAO ma bɔ k'a y'a condamné Mali denmisɛnninw bɛ faga Cotidéen sara ko la a ma condamné mais pourquoi CDAO bɛ bɔ k'a fɔ k'a bɛ Mali condamné CDAO a ma kan ka malo de CDAO tɛ malo sinon k'an ka malo de nin ye maloya ko de e ti ka faamu nin ye maloya ko de donc n b'a fɔ CEDEAO ye n b'a fɔ CEDEAO ye a tigi a k'a yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ a ka malidenw ka hakɛ a k'o bila o kɔnɔ wa anw bɛ yɔrɔ min na an t'a simu kɔ bila bi an t'a kɔ bila sini a ɲɛna de ko frontière datugura ko ɛɛ eh, frontière u ka fɛn datugu kabakolo tɛ se k'o datugu u tɛ se ka fiɲɛ minɛ o ye ala ta ye voilà merci. xame tubaabu dafa jaay ñu sunu doole dafa bëgg a yàq sunu jamana yàq sunu jamana tudd jamana ñun d'accord wul loolu ñun africain yi la africain yi war wul dimbali ñu ci yàlla tax day ñëw sunu jamana yàq sunu sunu jamana tudd bi yàq sunu deret bi yàq sunu yëpp. saake bagas yo mo France nee de dee dimbali ñu dimbali ñu dara de de erel suñu suñu doomu jeral suñu maire yi saake suñu bagas yi yëpp seen affaire yi bu ba yep français moo ko jël nit yi day ragal yàlla français fekke dimbali ñu ñen yep ñu ba ñu yalla yere ku dimbali ñu yalla ta na dimbali ñu ku dimbali ñu yalla ta na bàyyi ñu ne bugguloo ay ah, defari bu bari defari salsi defari mu suñu baaxal nañu bugg deeral ñu doom day métti ñun loolu ñenn ay métti ñun loolu ñenn amul dara njari amul doole ñu amulu dara yàlla rek ñu na bàyyi ñun yàlla tay rek ñenn bugguloo dara ah, ah, seen tubaabu yi moo yàqu africain yi